le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, merci pour votre fidélité. C'est l'heure de votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. La thématique du forum d'aujourd'hui est l'inclusion des étudiants handicapés dans les universités publiques et privées, obstacles matériels et humains. Quels sont les obstacles matériels et humains que rencontrent les étudiants handicapés dans les universités publiques et privées au Niger Quelles sont les dispositions ou mesures spécifiques prises pour faciliter les études supérieures aux étudiants handicapés Quelles sont les mesures durables à envisager par le ministère de l'enseignement supérieur pour la poursuite des études aux étudiants handicapés. Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Bawa Idi, secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Niger. Et euh, nous avons également sur ce plateau Moussa Garba, il est étudiant non-voyant au niveau de l'Université Abdou Moumoundé Niamey. Et à la présentation, c'est moi, Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'inclusion des étudiants handicapés dans les universités publiques et privées, obstacles matériels et humains, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans ce forum. Tout d'abord, notez que nous avons invité pour cette même émission le rectorat de l'université Abdou de Niamey et à cette heure-ci, euh, aucun représentant. Nous avons également invité le ministère de la Population au pas de représentants également. Euh, sur ce plateau, je le disais, nous avons le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Niger euh, avec nous et un étudiant non-voyant ici avec nous. Nous savons qu'au Niger, l'éducation des personnes handicapées est prise en charge à travers trois approches différentes mais complémentaires, à savoir l'approche spécialisée qui privilégie un enseignement en vase clos pour une catégorie de handicap, L'approche intégratrice qui consiste en un enseignement spécialisé dispensé pendant un temps à une catégorie de handicap et l'approche inclusive qui est un enseignement dispensé à tous, handicapés ou non, au même moment et au même endroit. La mise en œuvre de ces trois approches n'est pas sans difficulté et les enfants handicapés qui arrivent à franchir les étapes des cycles primaires et secondaires pour arriver au supérieur ne sont pas nombreux. Nous nous intéressons aujourd'hui à cette catégorie de personnes qui sont parvenues au niveau supérieur pour savoir les conditions dans lesquelles se passe leur inclusion et leur étude. Je voudrais demander à nos invités de se présenter chacun. Euh, voilà, je commence par vous, Monsieur euh, Idi, secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Niger. Moi, c'est Bawa Idi Toudou. Je suis le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Niger. Je suis par ailleurs étudiant à l'université Abdoumouni. Je suis en première année de thèse. Euh, l'association des élèves et étudiants handicapés, quelle est sa mission phare Cette association, elle euh, regroupe vraiment tous les types d'handicap. La mission phare de cette association, c'est de défendre les intérêts des camarades, les assurer l'éducation de façon vraiment inclusive comme euh, vous l'avez dit, donc euh, de s'assurer que les conditions sont vraiment réunies pour que, en fonction de notre handicap, nous puissions suivre les cours euh, sans difficulté. Bien, je donne la parole à Moussa Garba. Euh, je le disais, étudiant non-voyant à l'université de Niamey. Veuillez vous présenter et dites-nous euh, quelle filière vous, suivez à l'université. Je me présente, euh, monsieur Moussa Garba. Je suis étudiant en L3 et à la faculté des sciences juridiques et politiques. Je reviens à vous, monsieur Bawa Idi, secrétaire général de l'association. Est-ce qu'il y a des chiffres, par exemple, sur le nombre d'étudiants handicapés à Niamey? à l'université Abdou Moumouni, bien sûr, et peut-être dans les autres écoles professionnelles oui, bon, à l'université Abdou de Niamey, on peut estimer à une soixantaine de personnes handicapées euh, à l'université Abdou de Niamey. Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Maintenant, je ne maîtrise pas exactement le nombre exact au hmm. niveau des instituts et autres écoles privées, mais à l'université Abdou c'est une soixantaine d'étudiants. Hmm. Y a-t-il des dispositions ou mesures spécifiques existantes en faveur des étudiants handicapés Là, à ce niveau, il y a un très grand point d'interrogation. Parce que à l'université Mouni, vraiment l'inclusion n'est pas n'est pas prise en compte. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis en nous disant quels sont les obstacles matériels que rencontrent les, les étudiants handicapés dans ces universités de l'université Mouni que vous maîtrisez Pour ce qui est des obstacles matériels, vous prenez par exemple un handicapé locomoteur. Rien qu'avoir l'accès à certaines salles représente euh, tout un problème pour lui. Parce que les salles de cours, il n'y a pas de rampes qui peuvent permettre à ces, à, ces handicapés locomoteurs d'avoir accès facilement aux salles. Parce qu'il y a, il y a les handicapés qui sont sur, sur des tricycles. Ou les tricycles, Pour ceux qui ont des tricycles, là, c'est, c'est, c'est, ce n'est vraiment pas la peine, quoi. Parce qu'il y a certaines, certaines salles auxquelles ils ne peuvent pas avoir accès. Parce que, c'est parce que ces salles sont, sont, sont situées sur, euh, euh, euh, à, des hauteurs, avec des escaliers. Voilà, et qu'il n'existe pas des rampes qui peuvent permettre d'accéder facilement. Mm. C'est pas, en tout cas, l'inclusion au niveau des facultés, on ne peut pas parler des inclusions. Mm. C'est vrai, il y a certaines choses qui sont en train d'être faites, mais quand même, jusque-là, beaucoup reste à faire. C'est quoi ces choses qui sont en train d'être faites Voilà. Par exemple, si vous prenez toujours au niveau des, des, malvoyants, hmm. il y a certains enseignants qui peuvent permettre à ce que, si maintenant on prend la durée d'un examen, on dit qu'un examen peut durer jusqu'à deux heures. Hmm. Maintenant, pour ce malvoyant-là, qu'on va lui expliquer parce qu'il ne va pas avoir l'écriture euh, ordinaire sur les papiers. Hmm. Lui, il a sa propre écriture spécifique. Donc, voilà, on lui explique, il comprend, Maintenant, de nos jours, Dieu merci, avec les logiciels, il peut mettre dans son ordinateur qui a une synthèse vocale qui peut lui lire le sujet. Mhm. Maintenant, après avoir lu, pour lui, pour qu'il soumette sa copie, il doit falloir qu'il transcrit ça en braille. Donc, cet aspect-là, il est en train d'être euh, bon, un peu pris en compte bon, par certains enseignants d'ailleurs, mhm. parce parce qu'ils permettent à ses étudiants, si c'est deux heures, le temps imparti pour l'examen, il augmente peut-être 2h30, peut-être 3h pour ces étudiants pour pouvoir euh, traiter le sujet, soumettre leur, euh, leur papier pour qu'il soit un peu traduit euh, et soumettre à l'enseignant pour, corriger. Bon, nous allons revenir à vous. Euh, le temps de donner la parole à notre ami Moussa Garba, euh, je le disais, étudiant non-voyant à l'université Abdoumoumouni, pour nous dire de façon précise, un peu plus précise, ces difficultés matérielles que certains euh, non-voyants rencontrent à l'université Abdou de, de Niamey. En tout cas, nous, on attend juste à parler de l'éducation inclusive, mais vraiment, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas Parce que euh, vraiment, ce n'est pas pris en compte. Et toute chose qui n'est pas prise en compte, euh, donc euh, c'est juste, on peut parler d'une figuration, mhm. d'une simple figuration. À l'heure où je, vous parle, moi j'ai un bac 2012. On était deux qui avaient effectué la rentrée à la faculté de droit mhm. en 2013. Et de, 2013 à aujourd'hui, à 2019, jusque-là, on n'a pas nos licences à main. Cela est dit à quoi Justement, on voudrait savoir. Est-ce que vous vouliez cela euh, au fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de dispositions spécifiques euh, qui vous aident Moi, je dirais tout simplement que comme l'avait souligné le SG, il y a trop de difficultés pour un non-voyant d'étudier ici au Niger dans les universités publiques nigériennes quand même. Parce que c'est comme il avait souligné au début, lors des examens, il faut qu'on lui dicte le preuve. Et pour pouvoir dicter le preuve, il, faut, il, faut, il lui faut minimum 30 minutes. Donc après avoir composé, il remet la copie. Donc, déjà, il est en retard de 30 minutes ou bien 45 minutes comme ça là. Mm. Donc, pour pouvoir achever son, euh, son examen, son devoir, hein. il va falloir qu'on lui fasse un plus de 30 à 45 minutes comme ça. Et cela n'est pas en train d'être fait. À part ça, après avoir fini encore remettre la copie, à chaque fois, quand on fait, on fait sortir les PV, on ne, retrouve pas nos notes. Les copies disparaissent ou quoi Bon, je ne dirais pas que les copies disparaissent, mm. réellement. Parce que il y a quelqu'un qui est chargé pour la transcription des copies parce que vous écrivez, en, vous composez en braille. en braille. Et, normalement, ça doit être traduit en, écriture normale pour ah, être corrigé par Voilà. Les... Donc, une fois que ça, cela est fait, le traducteur vient déposer les copies à l'administration de la dette faculté. Donc, les enseignants ne viennent plus prendre les copies pour corriger. Jusque-là, on est confronté, on compose pour ne pas aboutir à des notes, je voulais dire en quelque sorte. Parce que à chaque fois qu'on compose, on ne voit pas nos, nos notes, quoi. Vous, vous situez la responsabilité Au niveau de, celui qui est chargé de traduire ces, copies bah, à ou au niveau, ou, au niveau de l'administration où ces copies sont déposées Lui, déjà, il fait son travail. Mmh. Quand il traduit, il, amène, dépose. Maintenant, le reste, c'est au niveau des enseignants. Mmh. ils, ne, ne, ne, viennent pas prendre les copies pour corriger mmh. et donner les, notes. En Donc, même, il y a une seconde... en temps que les autres. En, même temps que les autres. Il y a une seconde option. Nous, on, a, on les a fait une proposition. D'habitude, eh, quand on a un camarade à côté de nous, après avoir composé, on peut lui dicter et qu'il eh, fasse la traduction pour nous directement. directement et on remet la copie en écriture normale. Vous voyez Et à part ça aussi, je dirais tout simplement ici, tout cela est dû vraiment à un problème de l'évolution technologique, si on peut le dire. Mmh. Parce que moi, j'ai fait fais des études parallèles. J'ai soutenu tout récemment eh, mon Master 2 en communication et marketing. Donc, euh, vraiment, là où je fais l'institut, je n'ai jamais rencontré de problème. Hmm. Parce que là-bas, je compose, euh, euh, je compose sur l'ordinateur. Quand il y a un examen, on me met le, preuve dans une clé, je copie dans l'ordinateur. Et Je compose, puis je recopie encore le travail. Le, travail. Le, travail de la clé, j'amène, on, tire ça, je remets ça. Hmm. Voilà ce que j'ai eu à faire avec... Parce que là, vous avez un logiciel qui vous permet de faire ces, ces, ces, traductions de braille en écriture. C'est ce qui doit être fait un peu partout. À l'université, vous n'avez pas cette possibilité. Voilà. Normalement, il devrait y avoir des machines qui doivent être mises en place et pour les étudiants non-voyants. À chaque examen, ils viennent composer, ils enregistrent ça et ils s'en vont. Hmm. Comme ça, les enseignants viennent, ils copient et corrigent. Hmm. Ils, donnent, ils donnent les notes comme ça là. Mais tant que cela ne peut pas être pris en compte là, c'est pas facile. Jusque-là, à l'heure où je vous, parle, moi présentement, j'ai plusieurs numéros des enseignants. Les, réclamations que nous faisons, ça vaut, si je, pour ne pas ça peut m'attendre un bloc. À chaque fois, on reçoit des réclamations, à chaque fois, des réclamations qui n'aboutissent jamais aussi. Est-ce que vous avez entendu, en tout cas, c'est quelques, ces, quelques griefs par rapport à la difficulté de composer et de pouvoir avoir en retour ces notes Comment vous gérez ces, questions Il y a aussi ces, ces genres de, problèmes qui sont un peu récurrents, si je peux le dire. Au niveau de l'association, nous sommes en train de nous battre parce que c'est un combat. Aujourd'hui, l'éducation inclusive, là, en réalité, on ne parle de l'éducation inclusive que théoriquement, surtout au niveau supérieur. L'éducation inclusive, pour mieux constater ça, c'est au niveau de la base 1 et 2, parce que à ce niveau, même les enseignants sont pris en charge en termes de formation et de sensibilisation. Mais au niveau du supérieur, jusque-là, rien n'est en train d'être fait. Donc du coup, c'est l'association qui est en train de se battre. Donc si j'ai dit l'association, donc au niveau de la scolarité ou mm. bien au niveau des enseignants, pour eux, c'est une simple requête. C'est vrai, il y a des tests qui sont là, souvent, mais les, les textes sont mal appliqués. Tout à l'heure, comme il le disait, il y a un traducteur, il prend la copie, il traduit et il ramène. Donc au niveau de la scolarité, c'est à l'enseignant, puisque de l'autre côté ça a été fait, hmm. l'enseignant passe prendre la copie pour la correction. L'enseignant qui, sait que dans sa classe, il a deux ou un, ou, trois malvoyants. Voilà. Hmm. Malheureusement, ça ne se fait pas. Et les, les notes des autres, des autres étudiants non handicapés sortent et euh, c'est lui le non-voyant ne voit pas sa note. ça, ça c'est un témoignage parce que lui, il a été victime. Donc du coup, puisque jusque-là, les textes sont mal appliqués. Mais est-ce que vous, au niveau de l'association, est-ce que c'est une question que vous prenez en charge C'est une question qui nous tient à cœur parce que récemment, il y avait un étudiant qui a vu son inscription bloquée au niveau de la faculté des lettres. J'ai oublié exactement c'est au niveau de quel département, mais quand même, on était avec le SG de l'association qui était parti jusqu'au niveau de la scolarité. Et c'était quoi la raison Oui, parce qu'ils ont dit qu'il est venu en retard. Il est venu en retard. C'est un malvoyant hmm. qui a quitté une autre ville pour venir ici. Hmm. Donc, il voyez déjà les difficultés qu'il va rencontrer avant de quitter chez lui, et de venir, venir ici, hmm. s'installer. Donc, du coup, il s'était confronté à un problème de retard. Donc, il était parti avec le, président de l'association. C'était lui-même en personne. C'était lui-même en personne qui séchait ses cours pour aller résoudre ces, problèmes. Mhm. Et Dieu merci, ça a pu être résolu. Avec, euh, euh, l'intervention de l'association. Avec l'intervention de l'association. Mhm. Aujourd'hui, quand vous prenez au niveau de, la scolarité, en réalité, on ne reste pas pour dire que, bon voilà, tel handicapé, voilà de quoi il a besoin. Donc, du coup, il faut prendre en compte ses besoins pour pouvoir satisfaire à, ses besoins en temps. Hmm. Donc, du coup, comme ça ne se fait pas, donc c'est à nous d'aller au niveau de ces, de ces responsables. On soumet nos doléances. Souvent, on arrive à avoir gain de cause, hmm. mais parfois... Aucune réponse. Aucune réponse. En face. En face. Hmm. Alors, je reviens à vous, Moussa Garba. Donc, vous avez cette, euh, difficulté, en tout cas, de, pouvoir euh, poursuivre vos études au même titre que vos autres camarades euh, non handicapés, parce qu'il vous faut traduire les, les copies il vous faut traduire en braille et, vice-versa aussi en écriture normale. Ça veut dire qu'il se pose un problème réel d'expertise au niveau de l'université il n'y a pas à l'université des enseignants qui ont quelques, euh, quelques euh, connaissances dans le domaine du braille bon. qui vous aident <coughs> En tout cas, pour le moment, je dirais non. S'ils ne peuvent pas mettre des machines en place pour les étudiants non-voyants pour qu'ils puissent vraiment composer, donc c'est euh, serait mieux d'avoir, d'organiser des séances de formation en braille pour les, pour les enseignants-chercheurs. Au moins qu'il y ait, dans chaque faculté, qu'il y ait des enseignants chercheurs qui maîtrisent le braille. C'est le minimum comme ça. Parce que hum. sans ça, vraiment, c'est, il est vraiment difficile euh, pour un non-voyant de réussir euh, vraiment ses carrières à l'université Abdoumoundé. À l'université voilà. Bien. Alors, nous avons euh, un troisième invité qui vient de nous rejoindre. Nous allons lui donner la parole pour se présenter. Bonjour. Bonjour. Voilà. Je suis et Mohamed Aliou, je suis le. Mohamed Aliou Oui. Je suis le conseiller technique directeur de l'université Abdoumouni. On m'a commis pour participer à ce débat. Ouais. Voilà, merci de nous rejoindre. Nous avons en, en, début quand même euh, euh, évoqué que nous avons invité le ministère de la Population, le rectorat également. Donc, euh, <laughs> on attendait justement d'avoir, en tout cas, les représentants de ces, de ces deux institutions. Euh, voilà, donc euh, nous sommes en plein débat dans ce, pour cette, cette thématique qui est l'inclusion des étudiants handicapés euh, dans les universités publiques et privées, les obstacles matériels et humains. nous avons fait un tour de table avec ici le secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Niger, et euh, Monsieur Moussa Garba, qui est un étudiant non-voyant à l'université Abdoumouni. Et nous avons déjà fait en tout cas un, tour de table sur les difficultés que vivent les handicapés, euh, les, étudiants handicapés à l'université. Il y a des, des difficultés d'accessibilité pour certains handicapés locomoteurs, pour absence de rampe d'accès aux, salles de cours. Euh, les difficultés, par exemple, pour les non-voyants euh, d'avoir cette chance, au même titre que les autres étudiants de leur, de classe, de composer et d'avoir les notes en même temps que les autres, parce que quand les, les, devoirs sont euh, d'abord en, embray il y a un traducteur qui traduit, qui dépose, ensuite l'enseignant chargé souvent de récupérer ses, copies pour, pour corriger. Souvent, il y a euh, en tout cas des difficultés à ce niveau, il y a des, des omissions ou des oublis et euh, des désagréments que ces, les étudiants euh, rencontrent. Une autre question a été soulevée, celle qui concerne la technologie ou euh, en tout cas l'étudiant non-voyant qui est ici présent avait évoqué cet aspect-là, que s'il y avait cette technologie, si la technologie était introduite au niveau de, de l'université, ça leur permettra de, de, gagner en temps. On pouvait leur donner les, les, devoirs qu'ils peuvent copier et traduire sur place et, donner les copies. Donc je vais vous donner la parole pour euh, déjà une, première réaction. Est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques qui sont prises ou qui sont en train d'être prises pour répondre à ces inquiétudes et, peut-être nous donner aussi des, <laughs> explications sur ces, désagréments. Merci beaucoup. Euh, au niveau de euh, l'université Abdoumouni, en ce qui concerne les étudiants non-voyants ou les étudiants handicapés de qui vivant avec le handicap, parce que les concepts sont importants. Oui. Il n'y a pour le moment pas de, de dispositions spécifiques prises une fois que l'étudiant à l'université. Là où on prend certaines dispositions, c'est au niveau des examens du baccalauréat. Mm. Au niveau des examens du baccalauréat, pour la composition, les étudiants non-voyants particulièrement mm. disposent d'un temps supplémentaire pour les épreuves. Ils ne composent pas certaines épreuves comme les mathématiques. Mm. Et il y a un, spécialiste du braille qu'on comprend. prend, on les regroupe dans un même jury, il compose en braille, et après on traduit et on corrige. Ça c'est au niveau du bac. Oh, ça c'est au niveau du bac. Ah. Mais une fois que l'étudiant, le, le candidat franchit cette étape-là, il n'y a pas de dispositions spécifiques prises par les facultés en ce qui concerne les, les, handicapés locomoteurs, les non-voyants, les, les, malentendants. Les malentendants. Mm. Peut-être parce que aussi ils ne sont pas très nombreux. Mm. Moi, je suggérerais à titre personnel, c'est-à-dire c'est de faire une institution spécialisée pour la formation. Pour la formation des, euh, personnes vivantes, des, étudiants vivants avec, avec, avec, euh, c'est-à-dire une enveloppe conséquente qui permettrait d'équiper cette institution-là. Là, nous sommes déjà dans les solutions, là. Bon, je ne sais pas. <laughs> Mais en tout cas, pour le moment, pour s'arrêter, pour le moment, hmm. il n'y a pas de disposition spécifique prises hmm. prise par les universités, pas seulement l'université, mais pas les universités en ce qui concerne les étudiants vivant avec le handicap parce que en l'absence de ces dispositifs, en tout cas euh, spécifiques, euh, il y a des griefs qui ont été portés, notamment ces retards dans, la, correction des copies. Euh, qui peut être qui peut être géré en tout cas. Je ne sais pas s'il y a un retard dans la correction des copies parce qu'en général les PV quand ils sortent c'est avec les notes de tout le monde en tout cas, l'étudiant ici présent nous a fait savoir que euh, dans beaucoup de cas, en tout cas, les notes des, étudiants euh, handicapés ne sortent pas souvent avec. En tout cas, euh, <clears throat> moi, je connais presque tous les enseignants de la faculté des sciences économiques, des sciences juridiques et politiques. je dirais tout simplement, et vraiment, les notes là ne sortent pas. Franchement, les notes ne sortent pas parce elles ne sortent pas ou ne sortent pas ces notes ou bien elles ne sortent pas avec les PV. Elles ne sortent même pas parce que au moins même si elles ne sortent pas avec le PV général, normalement avec des multiples réclamations, on devrait retrouver les notes là. Donc, tout ça là vraiment n'est pas en train d'être fait est-ce que vous gardez les réclamations que vous faites Est-ce que vous gardez, les, vous gardez des traces de ces réclamations Même à part même les réclamations, on nous donne euh, les chargés, même euh, les, responsables même de, de, l'administration euh, nous donnent même le numéro des enseignants pour les appeler et les rappeler encore et de les récupérer les copies pour les rappeler de la correction de nos copies et mm. enfin zéro. Mm. Vraiment. Mm. Et moi je dirais tout simplement que vraiment pour le moment c'est très difficile pour nous non vraiment des ministres et ces études, études supérieures à l'université. Mais vraiment, les instituts prennent en compte. Les instituts prennent en compte vraiment. Les instituts, vous voulez dire les écoles professionnelles Les écoles professionnelles prennent en compte vraiment, j'en suis témoin. Bien. Oui. Euh, le SG voulait réagir, le SG de l'Association des élèves et étudiants handicapés. Oui, en fait, c'est pour euh, un peu éclaircir euh, le docteur qui vient d'arriver. Parce que tout à l'heure, euh, parlait de, la copie, de leur copie concernant ceux qui sont handicapés, les malvoyants. Mhm. Donc, parce que c'est vrai, il n'y a pas de texte qui régisse cela, mais quand même, avec les, les, quelques négociations et quelques lobbies, depuis des années antérieures, et les, malvoyants, ils arrivent à composer maintenant leur copies sont traduites parce qu'ils composent en braille. Mm. Euh, il y a un traducteur qui traduit. Après, on ramène la copie. Donc, il parle de ce retard-là et que les notes ne sortent pas parce que c'est les, notes des handicapés, des, les malvoyants, mm. qui sont traduites d'abord et déposées. Donc, c'était l'éclaircissement que je voulais. Voilà. Et, oui, mon Garba. Des fois, même quand je parle au service de scolarité, on me dit que vraiment il y a la copie traduite déposée, mais l'enseignant n'est pas, venu pour prendre la correction, pour, prendre, aller corriger ça. Hmm. Et automatiquement, on me donne le numéro de l'enseignant, je l'appelle, il me dit OK, et demain ou après-demain, je serai là. Enfin, jusque-là, on n'est pas arrivé. nous continuons avec le secrétaire général de l'association, euh, puisque nous parlons des étudiants, en tout cas en situation de handicap à l'université Abdou Moumoun, il y a plusieurs catégories on a euh, les handicapés le commentaire, euh, les non-voyants. Il y a aussi cette autre catégorie, notamment euh, les sourds. les, les, les, étudiants qui ont des déficits auditifs. Alors, qu'en est-il de leur situation à l'université Abdou Moumouni Vous qui êtes l'association, comment décrivez-vous leur situation oui, là aussi, c'est vraiment des choses qui nécessitent d'être soulevées. Mais souvent, on arrive à avoir des solutions à propos. Mhm. Parce que, par exemple, j'ai une fois rencontré un étudiant à la faculté des sciences et techniques. C'est un malentendant. En première année, il prenait ses cours de l'amphithéâtre euh, d'Andiko Dankouloudou. Mhm. Donc, il est arrivé un moment où la sonorisation n'était pas du tout assurée. Mhm. Donc, en ce moment-là, lui, il rencontrait beaucoup de difficultés. Parce que c'est un malentendant, même une fois assis à côté de lui, quand vous lui parlez, il doit falloir que vous lui parlez de façon attentive ah, pour qu'il puisse euh, vous entendre. Hmm. Donc, à un moment, il s'était confronté à, un certain nombre de problèmes pour prendre des cours. Hmm. Mais heureusement, hmm. avec les quelques manœuvres, on a pu résoudre le problème. Et, et en réalité, d'ailleurs même, au niveau des amphithéâtres, il y a des sonorisations qui sont assurées. Hmm. Voilà, mais quand ils sont en panne, souvent il y a des difficultés à y remédier. Euh, monsieur le, le, conseiller technique euh, du rectorat de l'Université Abdelmouni de Niamey, peut-être un mot sur cet aspect par rapport à ces questions de sonorisation, parce que nous avons d'autres types de handicaps, en tout cas d'étudiants, euh, notamment c'est les malentendants. Pour les, étudiants malentendants, le problème est, moins crucial, parce que là, il suffit peut-être de régler la question de la sonorisation pour résoudre leurs problèmes. Le problème, c'est les étudiants non-voyants. Ou bien euh, les, euh, ceux qui ont des handicaps locomoteurs. Parce que si les, les cours doivent se donner, par exemple, euh, à un niveau, à, l'étage, ils ont des problèmes, ou mm. bien des examens, ils ont des problèmes. Mais, mais je crois que le problème de, de fond, c'est que le nombre des étudiants qui sont dans ce cas-là oui, n'est pas peut-être élevé pour attirer l'attention des autorités académiques, l'attention peut-être mm. même des, autorités nationales, mm. pour qu'on songe à prendre en compte ces handicaps-là. Pour le moment, ils il, il luttent, je dirais, euh, seuls dans ah un bah. contexte où tout le monde a des problèmes, pas seulement les, on sait qu'effectivement ils ont un handicap de plus. De plus. Voilà. Et, leur nombre n'est pas euh, euh, peut-être euh, très important pour pouvoir attirer l'attention, pour dire que on doit faire quelque chose sur. Mais maintenant que le débat commence à être posé, mm. certainement certainement qu'à un niveau, à un autre, on va songer à prendre des dispositions. Ne serait-ce que par rapport à ce que le, le, le, c'est-à-dire dire aux enseignants qu'au même titre qu'ils corrigent les copies des autres étudiants, les copies aussi qui sont passées par le processus de traduction, du elles doivent être corrigées parce que c'est un étudiant Comme tous les autres. Et justement, vous avez parlé aussi de leur nombre. Le nombre de ces, de ces étudiants aussi euh, doit être connu euh, pour une meilleure prise en, prise en charge. Parce que pour, pour, donner une solution, il faut connaître d'abord ils sont au nombre de combien mm-hmm. et on a combien de types de handicaps euh, les, différentes catégories. Et c'est aussi une piste, je suppose. Non seulement combien le nombre, mais aussi l'un des, problèmes aussi, c'est qu'ils sont dispersés dans plusieurs facultés. Ils ne sont pas dans une même faculté, ils ne suivent pas le même type de, cursus. Hmm. et, peut-être pour certains ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Si vous prenez les étudiants qui sont au niveau de la faculté des sciences et techniques, hmm. certainement là-bas où il y a beaucoup de, de schémas mathématiques, ou, ou, en sciences physiques, ils ont certainement beaucoup plus de difficultés, que ceux qui peuvent écrire euh, euh, en braille. voilà. Parce que j'ai remarqué qu'au niveau du baccalauréat, par exemple, ils ne composent mmh. pas les mathématiques. Mmh. Je suppose que c'est à cause de la difficulté qu'on a à, faire les mathématiques à travers le braille. Je ne sais pas, je ne hmm. comprends pas. Le... Je voudrais évoquer une, une autre question avant, de, avant qu'on termine sur les, les perspectives. Euh, cette année, euh, on a appris que au bac série D, un premier bachelier sourd a été enregistré. Et nous avons appris que le ministère de l'Enseignement supérieur a pris l'engagement de lui trouver une inscription dans une université américaine. Je ne sais pas, est-ce que l'association est au courant de, de, de de cet étudiant et de, de ce processus non, pour le moment, l'association n'est pas au courant de cet étudiant. Hmm. parce que pour que l'association soit au courant du nombre des étudiants qui admettent, il doit falloir qu'ils s'inscrivent d'abord. Hmm. Là, quand ils s'inscrivent, souvent pour déposer les dossiers des chambres, ils passent par l'association et là, on enregistre le nombre des étudiants qui viennent. Hmm. Et un peu pour revenir à ce que, le conseiller technique dit. le technique euh, vient de dire. Je pense que ils sont assez nombreux les étudiants handicapés. Ils sont assez nombreux à l'université Abdoumoun. Et aussi pour les malentendants aussi, ce n'est pas, ce ne sont pas des, des, des difficultés à négliger parce que il peut venir s'asseoir en face de vous, vous expliquer. Lui, il ne va que vous regarder souvent il capte certains mots et parfois il ne capte pas d'autres. Donc du coup, l'information ne sera pas très bien transmise. Elle ne sera pas complète. L'information que lui, il va recevoir risque d'être déformée. elle sera altérée. Hmm. Ce n'est pas une euh, information complète comme vous, vous l'avez prononcé. Hmm. Lui, il va prendre ce qu'il a entendu et c'est qu'il a compris. Parce que là, il se pose aussi un problème de, de, de, de spécialisation des enseignants, notamment sur le, langage des signes. Justement, c'est ce que je disais. Jusqu'à là l'inclusion, au niveau supérieur, on ne parle pas d'inclusion. L'inclusion, c'est seulement au niveau de, la base, l'enseignement euh, secondaire. Mais sinon, au niveau supérieur, il n'y a pas l'inclusion. Parce que l'inclusion voudrait quoi, selon vous Voilà. L'inclusion voudrait à ce que, aujourd'hui, moi, je suis étudiant handicapé. Il y a des étudiants normaux qu'on nous amène dans la même salle, nous dispenser le même cours, parce que l'handicap, en réalité, ce n'est pas dans la tête. C'est que le non-handicapé peut comprendre, moi aussi je peux le comprendre. Pour preuve, moi en deuxième année, je n'ai jamais pris cours dans ma faculté. Hmm. On a fait la navette dans toute l'université Abdou partout on prenait cours. À l'EMIG, à la MED, partout on prend cours. Mm. Je suis handicapé locomoteur, j'arrive à suivre mes camarades. Mm. Je suis le cours, je comprends, mm. je valide les UE et pour preuve maintenant, je suis là où je suis. Donc, Donc ça veut dire que vous dites que ce n'est pas de la tête. L'étudiant handicapé peut comprendre au même titre que celui qui est à condition que il suffit juste de mettre à sa disposition ou bien de l'appuyer en ce dont lui il a besoin pour avoir accès aux salles. Souvent, moi, moi, j'ai pris des cours au niveau 1 à la faculté des sciences. Difficilement, je monte sur les escaliers. Et même pas au niveau 1. Quand vous prenez la plupart des salles, au niveau de la plupart des salles, il n'y a pas de rampes. Il y a des escaliers. Souvent, il doit falloir qu'on fournisse de l'effort pour pouvoir passer. Donc, qu'en est-il pour les malvoyants Et pour les malentendants Oui. Pour les malvoyants, il doit falloir qu'ils soient tirés par certains camarades pour venir les installer dans la salle. Donc du coup, ici l'inclusion c'est quoi C'est juste de mettre à la disposition de ces personnes, juste en fonction de son handicap, ce dont lui il a besoin pour pouvoir lui permettre de suivre le cours au même titre que les autres étudiants. Mais pas de le mettre à l'écart pour lui dispenser un autre cours spécial euh, à, à son handicap. Mm. Ça, ce n'est pas l'inclusion. Est-ce que pour ça, certains étudiants handicapés euh, ont ces besoins peut-être d'aller ailleurs où ils auront une prise en charge beaucoup plus euh, appropriée Pour preuve, ils viennent de dire qu'il s'était inscrit dans un institut de la place. Et du coup... Il a un master. Oui. Au niveau de l'institut, il disait qu'il y, a des dispositions qui ont été prises pour mm. pouvant lui permettre de composer avec les autres étudiants. Parce qu'on lui donnait les, éléments, les épreuves sur une clé qu'il met sur son ordinateur, il traduit, il Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont conçus avec des logiciels qui permettent aux malvoyants de traiter des choses là-dessus. On lui met le, sujet dans une clé, on introduit de l'ordinateur, il a son logiciel qui peut lui lire le sujet. Maintenant, quand il lit, sur son ordinateur toujours, il peut saisir les réponses. Après, on imprime, on dépose avec les autres copies. Je pense que ça, c'est une des solutions qui peuvent être apportées. Monsieur le conseiller technique euh, du rectorat de l'université Abdou Mouni, et, euh, au vu de ce que ce qu'on vient d'entendre, on se rend compte que euh, la question aussi va au-delà d'une question de nombre, même si c'est une seule personne elle doit, mais elle, elle mérite euh, euh, une, une, attention particulière. Eh oui, euh, même si c'est une seule personne, elle a droit à être mise dans les conditions acceptables d'études. On est tous d'accord. Mais, c'est-à-dire, l'université, dès lors que l'étudiant entre à l'université, il admet au bac, les étudiants sont mis dans les mêmes conditions de, de travail. Mais maintenant que le problème des étudiants qui vivent avec le handicap commencent à être posés, certainement que l'université va chercher les voies et moyens de cette inclusion-là. Mais ça n'a peut-être pas attiré l'attention ni des autorités nationales, ni peut-être des autorités académiques. Mais maintenant que des voix s'élèvent pour dire qu'il y a un problème pour certains étudiants, des problèmes qu'on a constatés ou que les étudiants peuvent euh, porter à la connaissance des autorités à, tous les niveaux certainement que quelque chose va être fait. pour finir, euh, je demanderai à nos deux euh, invités, le secrétaire général de l'association des élèves et étudiants,